Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance au gars les gars. leen abonné Willen, like Willen leen di joxe avis mais quand même gars il y dañuy wax Mbaye l'international Mbaye Diagne jaajëf Mbaye Diagne ñu ngi koy jaajëfal Mbaye Diagne mi nga xam tay la duggal premier but am foofu ci Premier League ci championnat Angleterre ak kii ba West Bromwich ñepp ngi doon xaar premier but bu notamment euh, nga xam euh, contre Manchester United la duggal dugal à la deuxième minute Mbaye homme du match du côté de West Bromwich mom mi nga xam sax na à la 87e septième minute benn but mais malheureusement De Gea moo fa nekkoon le gardien mancunien motax tax mënut woon deuxième but bi Mbaye Diagne nga match bi passe également bon ko joué il a eu beaucoup beaucoup d'occasions quatre fois ñu tifle ko hors jeu deux buts mu dugal yëpp ñu hors jeu Sam Allardyce génnoon ne Mbaye Diagne donc il a un gros potentiel problème à mon cas keroog problème au placement gars yi dañu ko hors jeu bi mais il a un fort potentiel Mbaye Diagne on voit qu'on est actuellement ici c'est en plus au niveau de West Bromwich bon mieux ñëwee mais il mi en plus notamment montagne match nul bi West Bromwich Nak mi ngi nekk ci benn goutte ndax ci Premier League fi ni ñoom zone de turbulence lañ nekk ndax jege nañu relégation bi donc euh, Mbaye Diagne moo tax fi mu ne ci zone rouge bi carrément Sam Allardyce waxoon na il avait besoin d'un grand buteur aujourd'hui encore il a pour le montrer lors de cette rencontre qui ne cesse de nous épater qui ne cesse de nous montrer que c'est un serial killer c'est quelqu'un qui est capable de marquer dans toutes les positions aujourd'hui il est problème premier euh, capitaine de Manchester United le grand défenseur donc aujourd'hui il n'en a fait qu'une bouchée il a montré aujourd'hui qu'il était au-dessus de tout, le monde. Il a posé beaucoup de soucis à la défense, notamment à McGuire bi nga capitaine Lindelof également Boygis gis bii pour ci ñoom hein. donc Mbaye donc il a montré beaucoup de choses. On lui souhaite bonne chance de voir félicitations encore pour le premier but on espère qu'il va en marquer d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres Mayan qui ne cesse de nous épater ñu koy jaajëfal su nekk par rapport à ce qu'il est en train de faire par rapport également au plus qu'il apporte en Premier League on espère que bu ñu un petit prêt la l'année, bu ci dina a signer Premier League West Bromwich wala club jaajëf Mbaye l'international sénégalais Guy vous abonné like